STM, une nouvelle façon de voyager. Mm-hmm. Messieurs, dames, bonsoir et bienvenue à ce journal du soir. Cela dit, nous ouvrons cette édition avec euh, les travaux à l'Assemblée nationale. Les députés étaient en séance plénière, bien sûr, où ils ont examiné deux points inscrits à leur ordre du jour. Il s'agit de l'examen de vote et le vote de deux projets de loi portant sur l'énergie, les hydrocarbures, l'aide publique et l'aide publique au développement. Amadou Harouna et Kantama Ibrahim pour plus de détails. Le projet de loi autorisant la ratification du mémorandum d'entente relatif à la coopération dans les domaines de l'énergie et des hydrocarbures, signé le 11 juillet 2013 à Ankara et le 25 juillet 2013 à Niamey, entre la République du Niger et celle de la Turquie, a été voté par une écrasante majorité de 96 voix pour celui qui concerne l'accord relatif à l'octroi d'une aide publique au développement requiert 93 L'Assemblée nationale vient d'adopter une loi de ratification qui porte sur une aide publique au développement. avec un accord de 8 millions de prêts consentis à notre pays sans intérêt. Cet argent-là va servir pour la réhabilitation de ces deux points d'eau de Goudel à Niamey. Moi, je dirais que c'est un sentiment de joie qui m'anime parce que vous savez, l'accès de l'eau potable à tous les Nigériens. Ça fait partie des priorités de l'agenda présidentiel. Donc on ne peut que se réjouir. Merci. Ça reprendra le vendredi prochain avec à l'ordre du jour l'examen du projet de loi portant sur l'interception de certaines communications émises par voie électronique en République du Niger. Dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, les États-Unis d'Amérique ont fait un don de matériel roulant et d'un entrepôt aux forces de défense et de sécurité. La réception a été faite par le ministre de la Défense nationale, Issoufou Katambe. Retrouvons Amadou Arouna et Kantama Ibrahim pour le compte-rendu. La lutte contre le terrorisme nécessite des moyens et du matériel. C'est pourquoi le gouvernement américain, qui d'ailleurs n'est pas sa première opération, a fait cet important don des camions de transport militaire et d'un entrepôt aux forces armées nigériennes. Aujourd'hui, je suis heureux d'ajouter 10 camions de transport de troupes de type Mercedes à de femmes. Ces dix camions d'une coûte d'environ 1 million de dollars américains sont de la plus haute qualité et peuvent transporter jusqu'à 15 soldats sur le terrain le plus accidenté. Nous espérons qu'ils amèneront vos soldats sur le champ de bataille et les ramèneront en toute sécurité et rapidement. De plus, l'entrepôt que vous voyez aujourd'hui est encore un autre engagement des États-Unis pour euh, le, développement de l'infrastructure logistique des femmes au cours des 430 000 euh, dollars américains, logistique fournira 300 mètres carrés de stockage sur, euh, sur pour les pièces de rechange de valeur pour vos véhicules logistiques, ainsi que les 60 véhicules blindés de type, de type Mamba pour vos unités dans le cadre de la force conjointe de G5 Sahara. L'entrepôt comprend 60 mètres carrés de stockage sécurisé, un système électrique automoderne, un éclairage intérieur et extérieur et un système de carburant. Le gouvernement nigérien exprime à toute sa reconnaissance aux États-Unis d'Amérique. En ces temps tumultueux de guerre, tous azimuts, contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière organisée, la livraison de ces véhicules nous rappelle toute l'importance des partenariats fiables et efficaces. C'est le lieu de dire que les États-Unis ont de tout temps été présents à nos côtés pour appuyer les forces armées nigériennes, surtout en matière de logistique et de formation. Ce soutien actif aux forces armées nigériennes est un fait évident que nous saluons, que nous rappelons toujours pour nous en féliciter. Aujourd'hui, nous réceptionnons 10 véhicules de marque Atego et un magasin construit avec l'appui de la coopération américaine pour le stockage des pièces de rechange le choix de Atego n'est pas fortuit. C'est un engin déjà en dotation des forces armées nigériennes, notamment au niveau des compagnies logistiques d'Agadez, de Dirkou et de Difa. C'est donc un engin bien connu de nos logisticiens, dont la mise en œuvre et la maintenance seront ainsi facilitées fiabilité, flexibilité et efficacité. C'est donc traduit l'excellence de la coopération qui existe entre la République du Niger et les États-Unis d'Amérique sur le plan militaire. Nous restons dans le même ordre d'idées pour parler cette fois-ci de la remise d'un lot de matériel d'engrais à la Chambre, à la chambre régionale d'agriculture de Niamey, euh, un don de la délégation spéciale de la ville de Niamey. L'objectif ici, c'est de renforcer les capacités des agriculteurs de la dite région. Ralia Sami. Ce don d'environ 23 tonnes d'engrais naturels, transformé localement, mis à la disposition des agriculteurs de la région de Niamey par la ville de Niamey, s'inscrit dans le cadre du programme Niamey Ville Verte initié par la ville de Niamey. Cette dernière entend ainsi appuyer les agriculteurs de la région afin de mener à bien leur mission, surtout en cette période de grande sécheresse. Au niveau de la ville de Niamey, nous sommes en train de revoir la façon de faire la ville de Niamey, changer de paradigme pour renforcer certaines réalités de développement du territoire. Il s'agit notamment de ce programme de Niamey Ville Verte, Niamey Ville Fruitière. Dans le cadre de ce programme, nous avons initié Niamey Nomarani qui a consisté développer du maraîchage dans notre capitale basé sur la mobilisation des femmes, des jeunes, des quartiers. L'aménagement de plusieurs sites de la ville de Niamey a fait que, après la saison des pluies, les activités agricoles ont continué. Nous voulons que cela se pérennise. Nous avons également initié l'aménagement de sites de production de plantes, des pépinières dans les cinq arrondissements, avec euh, un objectif de planter 3 euh, millions d'arbres dans notre capitale. Mais au-delà, mettre à la disposition des populations de Niamey euh, des sites de production de plantes à leur portée, accessibles, pour que nous puissions faire de la ville de Niamey une ville verte, mais une ville aussi qui intègre l'agriculture comme étant une activité. La ville, ce n'est pas seulement euh, cette euh, modernisation donc, euh, à travers l'aménagement donc de tout ce que vous êtes en train de constater. Ça, c'est nécessaire, c'est indispensable. La ville de Niamey en a besoin. C'est pour cela que grâce au programme Niamey-Niala, vous avez vu cette transformation de notre capitale en termes d'infrastructures, en termes d'équipement. Mais en plus de cela, dans le même cadre du programme Nyamenyala, nous allons mettre désormais l'accent sur l'environnement. Comment intégrer l'environnement dans notre capitale C'est pourquoi ce programme de plantation d'arbres, c'est pourquoi ce programme de, de, de Nomarani, et c'est pourquoi cette initiative d'accompagner les acteurs dans ce domaine, notamment les producteurs de bio qui sont là aujourd'hui euh, rassemblés et qui sont animés de cette euh, volonté à faire avancer ce programme, à nous aider à atteindre cet objectif. Et nous, nous sommes aussi engagés à leur côté à les soutenir dans cette euh, belle activité pour qu'elle se développe, pour qu'elle se pérennise, pour que nous puissions en tout cas faire de la ville de Niamey une ville moderne, agricole, une ville verte, vivable. C'est bon, intervient à un moment fort opportun car la Chambre régionale d'agriculture de Niamey était dans un besoin pressant à laisser entendre le président de la dite Chambre. L'émotion est tellement grande que j'ai des difficultés pour m'exprimer Parce que, avec votre permission, je vais faire un petit commentaire sur les chambres régionales Mais Monsieur le Président, depuis 2004-2005, la chambre de, régionale de Niamey, c'est la plus pauvre des chambres régionale Parce que tous les, projets qui sont installés à Niamey travaillent dans les autres régions il n'y a même aucun produit dans la région. De telle en sorte que si on fait le bilan, vous allez voir, on va voir, il y en a eu zéro. Il y en a zéro. Le premier bureau, ils ont fait 8 ans, 0, 0. Moi, j'ai fait un premier euh, mandat de 4 ans, 0. Maintenant, je suis dans le deuxième mandat. Et grâce au bon Dieu, avec notre patience, D'abord, il y a la contribution de l'État à travers l'Union européenne qui nous a soutenus de 2008 jusqu'à 2018. nous avons pu bénéficier de, la hauteur jusqu'à hauteur de 27 millions. Cet engrais d'une importance capitale pour les agriculteurs leur permettra d'avoir une bonne culture de contre-saison, toute chose qui permettra à la ville de Niamey d'atteindre son objectif, celui de reverdir la ville de Niamey à travers les plantations d'arbres. Nous poursuivons ce journal avec euh, ce qui semble être euh, les conclusions de l'enquête sur l'audit au niveau du ministère de la Défense, euh, de la Défense nationale. Ainsi, depuis un certain temps, les rumeurs circulent sur les réseaux sociaux sur, bien sûr, le rapport de l'enquête sur l'audit au niveau de ce ministère. Toutes choses que la société civile a condamne. Suivons la réaction de l'acteur Dambaji Son Allah dans ce extrait. C'est combat que le président de la République, de concert avec ce ministre de la Défense, ont déclenché. Je pense bien que c'est un combat que les uns et les autres doivent comprendre que c'est devenu un problème international. Et aujourd'hui, franchement, moi j'étais euh, honnêtement dessus d'apprendre ça, non par, par, la voie officielle, que ce, ce, document est dans la rue, et ça veut dire que l'État est en danger notre République est en danger parce que et à certains, ils ont un problème de conscience professionnelle. C'est pas, je n'encourage pas à ce que l'acte qui a été posé au ministère de la Défense, que c'est un acte louable, mais c'est l'acte que le rapport, qui doit être un rapport secret avant sa publication officielle, se trouve dans la rue. Et là, je pense bien que le président de la République, en tant que premier responsable de l'administration, il doit revoir sa copie de la gestion administrative de la chose. Et ce dossier, je pense même que c'est un dossier, qu'on le veut ou pas, il faut reconnaître que même si on ne le veut pas, euh, le président de la République, de concert avec son ministre, ils étaient à la cause à ce que ce dossier soit débusqué. Et ce que nous souhaitons au président de la République, c'est de s'assumer jusqu'au bout. D'aller jusqu'au bout de ce dossier parce que c'est un dossier qui n'est pas ordinaire. C'est un dossier extraordinaire, à tel enceinte qu'il y avait eu la dilapidation économique et a aussi le sang dans ce dossier. Et ce dossier, si vous avez compris, aujourd'hui ce n'est plus un dossier du Niger seulement, c'est un dossier qui concerne l'international. Et aujourd'hui, nous souhaitons vivement que le président de la République arrive à prendre l'ampleur de l'association et qu'il comprenne en réalité et qu'il accepte que Dieu lui donne la force de gérer ce dossier avec la plus grande fermeté et la plus grande rigueur pour que ce dossier-là aboutisse à une situation claire et garantir l'intérêt de la République. Parce que ce dossier, si aujourd'hui le président de la République n'arrive pas à imposer sa personnalité et son devoir du président de la République, du père de la nation, je pense bien, même si c'est après lui, parce que dans tous les cas, il est appelé aussi à quitter le pouvoir, parce qu'il est vers la fin de son deuxième mandat, Ce décès d'avoir rebondir. Et je pense bien, il sera mieux et plus clair et plus judicieux que qu'elle arrive à liquider ce dossier, à liquider dans le sens positif, à laisser la justice faire son travail jusqu'au bout, et que tout celui qui est impliqué dans ce dossier, qu'il rende coach. Pendant la présent de Covid-19, pour clôturer ce journal avec notamment le retour au travail euh, de, des fonctionnaires depuis lundi dernier, euh, avec l'instauration bien sûr de certaines mesures pour lutter contre cette euh, maladie, même si la pandémie reste encore d'actualité. Ahmed Aruna Moumouni Abdou pour ce commentaire. L'avènement de la pandémie du coronavirus nous a imposé un certain nombre de comportements et une batterie de mesures à respecter. Ainsi, qu'à la fonction publique, les personnels du non essentiels été coulé à la maison. Pendant qu'aujourd'hui, le gouvernement, en supprimant certaines mesures, demande à nouveau à tous les agents de l'État de reprendre le chemin du travail. Est-ce que les conditions sont euh, maintenant réunies pour qu'ils respectent euh, strictement les gestes barrières, sachant qu'ils sont souvent par dizaines dans des bureaux. Est-ce que les bureaux et autres lieux de travail sont suffisamment équipés sur l'ensemble du territoire national pas de matériel et produit à même de prévenir la pandémie du coronavirus. Voilà qui me fait à ce journal. Merci de nous rester fidèles. Très bonne suite de programme sur le miroir de la femme. Au revoir. Ce journal vous a été offert par STM Ténéré Transport Voyageurs. une nouvelle façon de voyager.